Calango. équipe jeune. Joyeux anniversaire! Coucou, coucou! Salut, salut tout le monde! Sanin ku da zaɓi su kan shirin tusa ala fada. Yau wannan shirin dai kun gane shi ba kamar na kullum ba ne shirin cika shekarar da ekip shonikin studio kalangu ta yi muke nan gayi shi yasa muka gayyato matasa waɗanda suke shuraren da waɗanda suke son san aikin namu ya muke yin shi muka gayyato su a nan ga siyar cikin studio kalangu nan kwara kano aikin wannan da muka yi wannan shekarar ya ne muka yi shi mine ne ya kamata mu ƙara yi a cikin wannan fadar ta muna da wani babban bakon wanda kullum yake tare da mu <laughs> bayya mu muna baya president da john aliyu umaru Salam alaikum. Ça va? Kuna lahiya? Ga munan To, amish. <laughs> kuma nan cikin matasan suez zam suez eh, gudal dama kan kuma a nan muna tare da wani responsable kin cikin a ado ga musu ranka faisal muhammadu faisal saba saba yaya ne alhamdulillah da dama to barkan ku zuwa bisa kan shirin tusa ala fada wannan fadar kun ba yin ta babu chronique kinta da rubrique kinta olivier mi ko da shi yau bah, dans la chronique de ce soir nous allons parler de ce qui se passe actuellement sur facebook quand hein, facebook se prend pour euh, le justicier C'est-à-dire aujourd'hui, tu peux publier quelque chose sur Facebook et on va le supprimer. Alors, euh, qu'est-ce qu'on supprime sur Facebook et pourquoi on le supprime C'est de cela qu'il s'agit dans la chronique. Merci Olivier, c'est fin, non On attend la chronique. Merci Olivier, à tout à l'heure. Fadama, il n'y a pas que ça dans le programme jeune. Aussi, c'est des reportages, des mini-macs, des portraits et la Fada, bien sûr. de kawan nantara da matasa, de ce qui aiki, don wa'annan matasa, en wansu. un un extrait de l'actu des jeunes. Moi, je que générique il n'a pas zoom Je suis comme quoi de ce qui est journal. Je suis à l'aise que j'ai. da kuka ji labarin matasa ne barkamu da sake saduwa a wannan shirin da ke zo mu a kowane ƙarshen mako. Ni ƙawarku Rakiya Arimi kamar kullum tare da Fanta Fantastic ƙawata yaya kike kin tashi lafiya? Lafiya ta kalau kiki gaggawa kawai nake in ji da min kika zo mini yau. To biyar gaugawa. <laughs> Za mu yi magana ne kan komawar makarantu gobe ɗaya ga watan Juni yaya malamai da ɗalibai ke shirya ta. Tabarman mu ta Lahadi tarihin wani ɗan ƙasar Nijar mai shirya fina-finai bayanai a ƙarshe kuma fanta shafin wasannin motsa jiki zai karkata kan haɗin gwiwar ƙungiyoyin afirka Gaskiya ne dai kiki ban gamsu da wannan menu inda kika bani. Kar ki ce mini ranar ɗaya ga watan Juwan ba ta ce miki komi. Fantastic ranar da aka girka labarun matasa da ba muhawarar mu haɗu a fada keko. Haba kiki har kin bani tsoro ma saurare in Allah ya yarda gobe ɗaya ga watan Juwan shirye-shiryen matasa da kuke saurare kan rediyo abokanan hulɗa na studio Kalangu zai cika shekara ɗaya. Menene ra'ayin masu sauraro? Amsar wasu daga cikin su tare da abokin aikinmu Saidi Abdu Winditon. Voilà. Ça, c'était l'actu des jeunes. Maintenant, rapidement, je vais demander à une jeune fille ici, qu'est-ce qu'elle pense de ce journal Ce journal, est-ce que vous avez déjà entendu un journal avec des mots à nous, quoi hein? <laughs> Rapidement. Approche le micro. J'ai beaucoup aimé votre émission. le journal, oui. Le journal, ça me plaît énormément. Ah oui, ça donne envie d'écouter. Ben voilà, c'est déjà bien. Et toi, viens. Comment t'as trouvé ce journal des bon, jeunes J'ai beaucoup aimé. Ah ouais, c'est relaxant. Ça donne envie, ça donne envie d'y être. Des jeunes qui nous suivent depuis le département du Balayara. Parce que ça nous sensibilise. Dès qu'il est l'heure, tout le monde est à l'écoute, même ceux qui ne sont pas jeunes, parce que ça les aide. On écoute tous cette émission chaque jour. Ce programme doit sillonner toutes les villes du Niger, car à chaque fois, c'est seulement à Niamey. Ils l'ont fait une seule fois hors de Niamey. Je me rappelle bien, c'était à Zander. Ils doivent le faire, par exemple, à Belayara, à Damana, pour que les autres aussi en profitent. Ça motive beaucoup les jeunes et c'est une émission qui a été bien pensée dès le début. Cependant, la seule amélioration qu'il faut apporter dans ce programme de jeunes, c'est de ne pas s'arrêter uniquement au niveau des villes. Il faut aller jusqu'à dans les villages pour faire intervenir les jeunes. Tellement intéressé, à partir de 17 tous les jeunes s'intéressaient à ouvrir leur poste radio, leur téléphone pour écouter cette émission parce que ça les intéresse beaucoup. Ça les contribue comme une euh, sensibilisation informations, des informations de différentes euh, régions. Président, quand je qui donne leur appréciation de tout ce qu'on fait, le programme jeune, la FADA, l'actu des jeunes, en tant que collaborateur sur plusieurs émissions et puis euh, auditeur aussi, on l'espère bien. Bien sûr. <laughs> Qu'est-ce que vous pensez de ben, vos impressions <laughs> Je vous félicite, je vous souhaite un joyeux anniversaire et je pense que nous allons encore cheminer ensemble au grand bonheur de la jeunesse nigérienne. Effectivement, elle est, beaucoup, elle est beaucoup écoutée. Elle est beaucoup écoutée. Et en plus d'être avec nous aux émissions à Niamey, je pense que nous devons, à partir de cette année, penser à nous déplacer ensemble ou à vous mobiliser certains des leaders de la jeunesse à l'intérieur du pays. Parce que, avec le confinement, tout ça, la FAD a beaucoup servi à sensibiliser les jeunes, à les occuper. Voilà pourquoi les jeunes de l'intérieur se plaignent, pourquoi vous n'êtes pas suffisamment à l'intérieur. Donc, il faut voir dans quelle mesure, malgré le contexte euh, qui n'est pas facile, je le sais, essayer d'aller dans les établissements scolaires, dans les fadas à l'intérieur du pays pour que la jeunesse nigérienne puisse s'exprimer. Parce qu'il y a deux choses. Soit les jeunes s'expriment pacifiquement, donc à travers ces genres d'émissions, ou bien vous allez les voir dans la rue. Ah, ils vont péter les câbles. on ne veut pas que ça n'arrive là. Et aussi, amener la jeunesse féminine à s'exprimer. Vous savez, je ne sais pas pourquoi au Niger, les jeunes filles ne veulent pas prendre le micro. c'est une arme, très, très bien. C'est une arme qu'on peut utiliser, qu'on doit utiliser pour faire changer les choses. Donc, chers amis, filles, je vous invite à prendre le pouvoir et à commencer par prendre le micro. Ah ouais, donc ben voilà. Déjà, déjà, moi t'as balayara. On leur précise qu'on arrive. On était à Tilaberi, mais bon, t'es à balayara, ok non. Kowa de kowa, he muje mungo kowa de kowa, Allah da. Toi, Yanzo, ben ka, Fessal, yani, ça va? Ça va, alhamdulillah. Fessal, tu aimes bien l'actu des jeunes. Mais qu'est-ce que tu as actu des jeunes? Mia Hibir, qu'est-ce actu des jeunes? Ce que j'ai beaucoup aimé dans l'actu des jeunes, c'est surtout les infos que vous partagez, ensuite le regroupement des jeunes, et ensuite euh, la musique euh, que les jeunes écoutaient et les conseils que vous donnez aussi. Oh, merci. C'est Regarde mon Moi, c'est Sid Lemine. ça va Ça va bien, je vais Ça va bien. Donc, je vous souhaite joyeux anniversaire. Merci. Ça fait plaisir d'être là parmi vous. Donc, euh, ce que j'aimerais préciser, mhm. j'aimerais vous donner un petit conseil. Si vous essayez de faire des petites fêtes euh, culturelles pour les jeunes, donc ça peut aussi bien sensibiliser les... et les partager des t-shirts, vous voyez, les sensibiliser, surtout les jeunes filles. Merci. Kader, on a notre chargeur de com qui est là. La Kader, tu as noté ils ont besoin de t-shirts fada et puis de. <laughs> Ils ont besoin de plus de com. Avec euh, ce qu'ils ont dit, euh, je pense qu'on doit plus euh, beaucoup se mobiliser pour la jeunesse parce que la jeunesse c'est l'arme de demain et c'est le futur de demain. Donc nous allons toujours les accompagner et notamment accompagner les jeunes filles pour pouvoir atteindre tous les objectifs et les objectifs de l'Afrique et du monde entier en général. C'était le chargé de communication du studio Kalangu. Et les jeunes aussi, vous voyez, non Il y a beaucoup de jeunes. mu mun gaita amma yanzu mu wannan namu zan mu shurari rubrikin dondi mu shi da cette fois-ci Nigériens, Nigérien, mes chers compatriotes, une nouvelle maladie est parmi nous, un mal aussi risqué que dangereux, le Covid-19. L'artiste s'exprime. Connais Tchédia. Aujourd'hui, nous recevons un grand artiste, musicien, chanteur d'origine Faso. Il a débarqué au Niger en 2002, Ladies and Gentlemen, 2002, où il a chanté avec euh, Jazz Chris, Sentiro, Bagnato, Zambaria, Sentiro, Bagnato, Zambaria. Nous étions en 2002 mesdames et messieurs Après il a évolué au sein d'une formation La formation c'était l'Ultaco Gourma Ensuite il a intégré l'Orco 5 Le groupe Orco 5 où il a chanté Tindindo l'ariani, ça veut dire l'exclusion de la jeune fille. Pour vous dire par là qu'il est très très engagé, il fait avec la société. Alors, on va écouter un extrait de cette chanson. Eh, chose à bannir dans la société du Niger et partout d'ailleurs dans le monde. Il faut dire par là qu'il a continué tranquillement sa carrière solo. Il a chanté eh, ça vous dit certainement beaucoup de choses. Eh, <laughs> le message était clair quand même. Alors ensuite, il a chanté Coronavirus. Pour cette raison, nous le recevons sur cette émission pour qu'on puisse parler de cette pandémie. Et ça donne comme ça. coronavírus. corona ta ti ar gi ya eh, corona ta ti di ya de ka e eh, tu ti ar gi corona virus ta tu di ya gi na corona virus ta tu di ya gi na corona virus ta tu di gi na corona virus ta tu di ya gi na alors attends alors je suis sûr tu l'avais venu l'artiste l'artiste nuit ça va bien Oui, ça va, je vais bien. Euh, tu peux continuer je n'ai pas de soucis. Comme ça, on va parler, on va causer sur la musique. Euh, Benoît, je te souhaite la bienvenue sur cette émission. Aujourd'hui, on va parler du coronavirus. On va parler aujourd'hui de cette pandémie. Alors, Benoît, euh, coronavirus, il sonda donora ifo non gbanim ne pas coronavirus ay par yari ifo non tiani corona ko ti sanga misali ga oh, corona oh, amin gine sambu am koy eh, oh, ngonoti esba corona virisi tugati yarkiyacha tuashi kiya kiya au sanga <laughs> amun gine sam sabai donc dono uror dia ir mara eh, eh, matine binde a travers youtube ag ba nim famande se il faut non ba il faut se non fondo wone wo sambu nim salan nim dono wone wote euh, quand il dit euh, Doroka, mhm. bon, c'est vrai, on kan ngin borigo chise, mhm. c'est vrai. Mm -hmm. Parce que Doro, c'est vrai, agono. Borkul mhm. manginga nga bon. Min kambe nyim, mi si lambi charga, rimsuman charga, matakair go kei. Oh, ga Voilà. Oh. donc inga euh, no borgo wara. Mm. Odi sona mo ila sab. Borgo kambe nyimo. Voilà, min kambe nyim. Oh. Mi hana. Mm-hmm. nga gite ni de doro de. me gurman kici no nun dono o gurman oh, kici na go ci borese o oh, eh, ka ima go ge bon doro wonu fama de sikan oh, doro bon asin de safar mm. o da bor kul ma go nga bon mm. o ke doro de ngono. Mm, donc bore ma go dinge bon voilà doro gono ima nga bon mi nga bon di am bor quoi ta ça marche donc hay fo ba num fama de se sanne o kan irte irga ba misali ga Eh, gurumanciyan goni kango gurgune donomo nima te kala misali ga gurumanci cine sonne o kul kan nitse ngene ga se gurumanci cine message o kango ni se wasika kango ni se niger gurumanci kul kan gogir hangan a travers ir radio partenaire e kul ima kan dorizo gono dorizo goga Eh, sanno kan asintinda gorma kikina nugo ba mate akulo ni sanni fandi alentie pi ba jable eh, ambo po ba abin kengen po mala mala ni kitie ni zer gorma chap kul pat mfandi kulo alentie coronavirus po ke tuwani ligi abu swandi ke tuwani alentie coronavirus po utie yan yuyo ke wupia nyogo la yokul unkubo yulbo ngala ukuba yulbo ngantiebe kindra nu kenyanti jogandi ambu ke ba ke nyopi ke pia nyobu la one ke dago chua eh, alelo nuni aya nya ku aliebe ni am nga lebani siga inda ba kulgi alanti etun frike ba ke chiar le wiyanu e yen itiemo e ne ke wiyanu e yen ye latie fama la one tin tuo ligiabe yer yala okay mumbu bwawani yale yeni bye bye Bye bye. Bye bye okay marhaba. Ay <laughs> ma bye bye. Çok bina ça va se donner, ça va se courir une partie qu'il nous faut comme ça une bonne nouvelle. Tu l'as à mon bon gala. Pagila ya mungwangala eh brensan intonde kemia wanga corona virisi. ligia babisan intonde kemuwa ibongala ai virisi. Kilon tolum babu sanin ton k e m u n wayi bon a l l a Coronavirus. w i a n can kwe tingin ni yokulun kubo yuli bon a l l a Coronavirus. b i a r ten ko di l a bon a l l a wote y a yun k a p y a n yoko. s Coronavirus. Corona, eh, eh, <laughs> and gentlemen. gentlemen, nous allons finir cette rubrique avec les 1 bien évidemment, du programme Jeune, parce que ça fait pratiquement un an et que vous nous kiffez à travers nos radios partenaires. Alors aujourd'hui, nous allons vous faire un truc, hein. joyeux anniversaire, cette fois-ci c'est spécial, c'est une première, mais en gourmandier. Alors il va me faire le truc et on va l'écouter et on va voir ce que ça va donner. Alors si tu es OK, bonne on va aller. Joyeux anniversaire en tout cas. On fête les 1 an du programme Jeune sur Nous vous demandons de rester en compagnie de l'émission Tous Salafada. Bormen Fada. ni bin maskoi in kunna yashi jiki ya tsira muna nan siyar cikin studio kalangu ina muke muna hira tare da matasa wanda muka gayyata bisa kan wannan tallata mu ta cikon shekara ta program jeune actu des jeunes tusa la sun sunzo su gaya muna ya suke ganin aikin mu kuma da wa'anda hallo suke da tambayoyi bisa kan aikin jarida suna iya aiko mana tambayoyinsu bisa kan aikin gara muke a wannan fadar muna tare da president de jean aliyu umar muna tare da faisal ile en seconde ado akwai wanda suke da tambaya bisa kan wannan aikin namu na journalism ga mu tuno mun sunanka Euh, bonjour à tous. Bonjour, ça va Tu me rappelles ton nom moi, je m'appelle Omar Farouk, je suis en classe de seconde à une. Ok, Omar, ça va Ça va bien. Yannick. Mhm. Ma question c'était sur le risque que prenaient les journalistes euh, sur, sur le terrain. Sur le terrain, oui. Notre invité spécial, Omar Kayama sur mesure. Puis c'est une question pertinente. Vous savez, le métier des journalistes, c'est un métier. Le métier à lui-même, vraiment, c'est un métier qui va de pair avec les risques. Certes, les journalistes prennent toujours des risques ils rencontrent des risques et ils vont continuer à prendre ces risques-là. Les journalistes vont accompagner le citoyen, informer l'opinion nationale et internationale de ce qui se passe sur les terrains. Tanan, je sais bien que t'aimes ça. On lui applaudit, on lui applaudit Tanan pour ses précisions. To duka studio mobile na fada, inda muka dora fada muna hira da matasa bisa kan abin da ya dame su, bisa Le choix des thèmes de la fada, les sujets de reportage le programme jeune veut se rapprocher au maximum de matasan da yake yake haduwa da su a ko ina ma yanzu muna so mu sani bisa kan shuwagin temkin mu ko président, ku da kuke non seulement président de jeunes comment inviter kin bisa kan émission da dama muna so mu san ya ne kuke ganin shuwakin taimakin mu vous vous retrouvez oui. Tu hira na a gani na oui on se retrouve euh, puisque après une année si l'émission continue à susciter davantage d'engouement, pour moi, il n'y a pas de question à se poser, d'une part. Et d'autre part, euh, je me dis que tous les thèmes sont bien choisis en équipe, en fonction de l'actualité, en fonction des, réalités du, du, terrain. Vous avez passé plus de deux mois à ne parler que de Covid-19, simplement parce que l'actualité oblige. Donc, pour nous, jeunesse, on ne peut que vous féliciter, on ne peut que vous encourager à continuer dans ce sens. Parce que malheureusement, les jeunes ont peur d'être sur, les médias, les jeunes ont peur de s'exprimer. Dieu merci, on vient de nous expliquer davantage les contours de, la liberté d'expression et vous donner la parole à tout le monde. C'est ce qui est bien. Pour une fois, j'ai vu une émission mobiliser des plus hautes autorités du pays avec des jeunes, voilà, des citoyens lambda. Et ça, c'est bien. Il faut que vous continuez vraiment, vous continuez à le faire, que vous continuez à démystifier aussi certaines fonctions. Donc, continuez à débattre sans tabou de tous les sujets. votre émission apporte un changement dans ce pays. Et c'est le lieu de vous féliciter. Le président l'a dit, on veut amener ce changement et c'est pour ça qu'on travaille. Du coup, on c'est pour amener ce changement dans quand Quand la FADA parle des thèmes comme euh, la scolarisation de la jeune fille, le mariage des enfants, le mariage précoce, la planification familiale. On était au centre FUNIAP avec des jeunes femmes, tout ce qui a comme contraception et tout. En tant que jeune femme, a des émissions comme ça, qu'est-ce que ça peut vous apporter Vraiment, c'est une belle chose. Il y a beaucoup d'entre nous ici, parmi les filles, qui mhm. ils ont des non problèmes comme euh, les difficultés avec leurs parents, euh, pour les mariages précoces aussi. Ok. Ok, applaudissez pour elle. Elle a été très courageuse. Hein? Yanzu kun shirya wannan matashi abin da ta ce wannan 'yan mata ne abubuwan da suke ke faruwa cikin rayuwarsu kamar matsalolin da suke da sun yaba da hira da ake yi kamar irin taken da shirye-shiryen mu suke dauka bisa kan duka abin da ya shahe su sun yaba da wannan to yanzu da wannan shirin namu ya kusa karewa yanzu nan mu ci gaba da aikin mu kuma mu yi shi da kyau muna so mu san menene kuke iya bamu wacce shawara ce kuke iya bamu Ouma, est-ce que tu vas bon, Comme le président l'a déjà dit, nous les jeunes, on a vraiment beaucoup d'envie de s'exprimer quoi. Et ce que vous faites là, je trouve ça cool. Je <laughs> trouve vraiment ça cool. Merci. Alors, président, quand vous eh, allez ni ina tamani aikinku yana da kyau mm-hmm, mm-hmm. tunda kuna ba mutane izini su yi magana a hausa a cikin zabarmanci kun san matasa da yawa ba su iya su yi magana a faransanci kenan in akwai emission da za su ba su izini su yi magana bisa kan lang national inmu mm-hmm, abu mai kyau ne kuma bayan wannan eh, in kun duba a can cote d'ivoire akwai wani emission da ana ce ma on se dit le kamar ana hoda ma Eh, juna gaskiya ana hoda ma gaskiya euh, juna ko wannan emission na fara kama haka nan ne kenan matasa kar su ji tsoro mu a gani mu tilas ne yanzu mu ne ya kamata mu kawo musu horo mhm, don su mhm. san yaya ne ana dauka mikro yaya ne ana yi magana cikin mutane na umar ko Omo ne? <laughs> Umar micro. gani a Faisal. Euh, effectivement, j'ai quelques conseils à vous donner. Mhm. Euh, en tout cas, moi, je trouve vraiment votre émission parfaite. C'est un travail impeccable, un travail exceptionnel. Euh, continuez comme ça. car là, vous aide euh, tous. Amen. Amen. Euh, ah, j'ai oublié de, vous souhaiter un joyeux anniversaire à Studio Cali. Merci. <laughs> merci Fessal, merci. Bon, Olivier, avant que... Je pas fini. Ah oui. Vive ah bah, la jeunesse nigérienne et vive ici au Kalangu. Applaudissez tous. tout oh, ah, merci. <laughs> merci Faisal. Pour le président des jeunes aussi. Olivier, avant que je t'annonce, on va annoncer la musique parce que c'est la fête du programme jeune. On va écouter Sidik Diabaté qui chante anniversaire billet d'ombalé. Moi je suis heureux, moi je suis heureux, billet combalé. Et joyeux anniversaire, et joyeux anniversaire, billet d'ombalé. Moi je suis heureux, moi je suis heureux, billet combalé. Et joyeux anniversaire, é o que é. O lugar que hoje é aniversário. love I want you. ba retour à la fada inda muke nan muna hira tare da matasa inda muka gayyato muna nan tare da NCS zamu kuna nan Dan wala muna tare da president da jeune su ma suna nan suna ba mu yan sun ba mu shawara buskan an zamu yi mu ƙara gyara aikin mu mun gode da kuka amsa kiran namu to kuma a bisa kan wannan shirin namu muna da Safiya ga Olivier ba ma Safiya micro Safiya ça va yaya ne gaya ma masu shuraren mu aikin ki anan ga studio Kalangu okay C'est juste pour vous dire que Tous à la Fada est une émission qui intéresse autant les jeunes que les vieilles personnes, c'est-à-dire les personnes âgées de 50 ans oh, à plus, comme on a eu à le remarquer dans la région de Tawa et Niamey lors de nos enquêtes. Il y a des personnes âgées qui disent ceci. ce qui me plaît beaucoup, c'est Tous à la Fada. Donc c'est une émission qui intéresse autant les jeunes que les garçons. Donc je vous encourage. Merci beaucoup, merci Sophia. Ah, ça encourage. Il n'y hein. a pas que les jeunes, il y a même les seigneurs. Olivier, tu as attendu ça là, non Oui, ça, ça le fait. ça ça on t'écoute. Bonjour à, à tous, j'espère que vous allez bien. Super, je m'appelle Olivier, je suis le chroniqueur de l'émission Tous à la Fada. Un an d'aventure, grâce à vous, grâce à votre force, une fois encore. Merci pour vos retours, que vous soyez à Niamey, Tawa, Agadez, Maradi, où que vous soyez, recevez nos salutations chaleureuses. Alors, ravi ce soir, je vais, je vais poser une grosse question à nos auditeurs et auditrices. On va parler des fake news, des fausses nouvelles. Tout à l'heure, Fischel a dit Laissez-moi, j'ai pas encore fini. Parce qu'il était en train de parler et tu as voulu le couper tout simplement. Si nous avons des idées, nous avons tous envie d'aller jusqu'au bout. Alors, nous sommes tous sur Facebook ici. Qui, n'est pas sur Facebook Qui n'est pas sur Facebook ici L'Apple seulement. Tout le monde est sur Facebook, je crois, non <laughs> Facebook, c'est 2 milliards d'habitants, c'est-à-dire 2 milliards d'utilisateurs. Mais quand Facebook ferme des centaines de pages sur des élections en Afrique et laisse passer des interventions jugées violentes de M. Donald Trump, le président africain, on se demande quel message le réseau social envoie au monde de la politique. Dans une publication du journal Le Monde, on apprend que le réseau social Facebook a fermé 446 pages et 96 groupes entre le 1er et le 7 juin et pour cause, ces pages visaient à peser au prix de fausses informations sur des élections en Afrique francophone. Ces groupes et pages auraient créé une audience de façon trompeuse en abordant des sujets attrayants comme le tourisme, les liens avec la diaspora et récemment la lutte contre le coronavirus. Avant de changer de ton et de se lancer dans la propagande politique, a déploré Facebook dans un communiqué. Des pays comme le Togo, les Comores, la Guinée-Conakry ou encore la Côte d'Ivoire sont touchés par cette censure du réseau social Facebook. Cela interpelle parce qu'il y a quelques jours, exactement le 29 mai, en pleine manifestation contre le racisme, le président américain Donald Trump a posté ce message les pillages seront immédiatement accueillis par des balles. Cette expression considérée comme risquant d'inciter à la violence a été aussitôt censurée par le réseau social Twitter. Mais le très cher réseau social Facebook a laissé passer ce message. Mais ce même réseau social, tenez-vous bien, censure les pages qui soutiennent certains chefs d'État africains. Alors, sur Facebook, la justice serait à deux vitesses. Une plus lente pour certains,

Moi, Souchounaramu, à Agadez, Difa, Tawa, Dosso, Tilaberi, Zender, Maradi, duka muna aika muku gaisuwa. Duka waɗannan wanda suke tare da mu suna aika muku gaisuwa. Haka ne ko? Eh. Ben, au revoir tout le monde et joyeux anniversaire à l'équipe du studio Kalangu. Bye bye!